forum district le forum district le kalam forum district le kalam forum district le kalam forum district le kalam forum district le kalam forum district le kalam forum district le kalam forum district le kalam forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester à notre compagnie pour ce nouveau numéro du Forum de la presse à la présentation Reila Toussoumana. Comme chaque vendredi, pour décrypter les grands points de l'actualité, je suis ce soir en compagnie de nos confrères journalistes de l'audiovisuel et de la presse écrite pour discuter tout d'abord de la manifestation interdite du dimanche 25 mars 2018 qui a occasionné plusieurs interpellations dont des leaders des organisations de la société civile nigérienne. À ce sujet, nous allons aborder différents points, entre autres la fermeture du groupe de, du groupe de radio et télévision Labari dans la soirée du dimanche. Les communiqués et déclarations des différentes organisations des défenseurs des droits humains et de liberté d'expression. Nous parlerons ensuite du blocage des cours à l'université Abdoumouni de Niamey et nous ferons un zoom sur l'ultimatum lancé aux autorités en charge de l'enseignement supérieur par le comité directeur de l'Union des scolaires du Niger. Enfin, nous aborderons un autre aspect de l'actualité qui est la hausse du nombre des demandeurs d'asile au Niger particulièrement à Agadez où les populations locales s'inquiètent sur cet afflux de personnes étrangères sur le territoire nigérien. Nos invités d'aujourd'hui sont Jafar Maman, directeur de publication du journal Indépendant Plus. Bonsoir. Bonsoir. Hussein journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Et Rufai Dandoua, aussi journaliste indépendant. Messieurs, dames, bonsoir. L'interdiction de la manifestation du dimanche dernier, l'arrestation d'acteurs de la société civile et la fermeture de la radio et de la télévision Labari ont fait réagir toute la semaine les différentes organisations qui luttent pour le respect des droits humains et liberté d'expression. Tout en, tous, tout en appel au respect des libertés. S'agissant de la légalité de la manifestation, nous avons posé la question à un constitutionnaliste qui nous explique le caractère illégal de la marche suivie de sitting interdit prononcé contre les dirigeants du cadre de concertation pour l'action citoyenne par la municipalité de la ville de Niamey. Docteur Boubacar Adamou Hassan que je propose d'écouter. L'illégalité, c'est le fait que la manifestation ne s'inscrit pas dans le cadre défini par la loi. Parce qu'il y a une différence entre participation à une manifestation interdite et une manifestation illégale. C'est-à-dire que la manifestation a été carrément interdite par le président de la délégation spéciale d'Azine de Eux, ils n'ont pas obtempéré à cette euh, mesure administrative d'interdiction. Ils ont bravé pour faire la manifestation. Et donc, ils ont participé à une manifestation interdite. Maintenant, le caractère légal, c'est le caractère légal de l'arrêté président de la délégation qu'il fallait attaquer devant le juge pour que le juge apprécie si cette interdiction-là, est légale, elle est conforme au, droit et dans le contexte actuel, les raisons que le président de la délégation a invoquées, notamment les raisons de sécurité pour interdire cette manifestation, est-ce que c'est fondé et que ça ne remet pas en cause les dispositions continuelles de l'article vous venez là d'écouter les propos du constitutionnaliste par rapport à l'illégalité de la manifestation du 25 mars dernier. Je vais commencer par vous, Monsieur Jaffar. Quelle était la véritable raison, selon vous, qui explique cette interdiction et aussi l'interpellation des, des, organisateurs avant même l'heure de la sortie, donc euh, hors lieu prévu pour la manifestation Bon, euh, <clears throat> suivant les, euh, la décision de, la municipalité de, de Niamey, précisément de la délégation nationale, euh, on a comme l'impression que euh, on a prétexté qu'il est difficile d'encadrer une manifestation euh, tard, le soir. Euh, alors que par, déjà il y a eu un cas d'école, puisqu'il y a eu déjà une, une organisation qui l'a voilà, un regroupement politique qu'il a déjà expérimenté. Mhm. Maintenant, dans quelles conditions la délégation spéciale fonde euh, sa décision pour prouver qu'ils ne sont pas à mesure d'assurer la sécurité qu'elle Il faut rappeler aussi qu'il y a eu un concert de nuit euh, trois jours auparavant. Ah oui, bon, là, on peut comprendre que concert de nuit, c'est, c'est, à caractère plus ou moins festif. Mais pour le caractère euh, de la manifestation, que ce soit politique ou d'acteur de la société civile, il y a eu déjà cas puisque euh, euh, le, regroupement de certains partis politiques appelés foi a déjà expérimenté cette manifestation nocturne de 16h à minuit. Ah ben, euh, même si par contre ils ont été poursuivis au-delà de minuit pour tapage nocturne, mais quand même, on estime que ici la question qui est posée, c'est moi je la vois de façon raisonnable en termes de, de, de la possibilité et de, du pouvoir car la délégation spéciale est au-delà le, le ministère public d'encadrer une manifestation nocturne. Est-ce que euh, il est difficile d'encadrer une manifestation pacifique nocturne C'est le débat que peut-être si les acteurs de la société civile ont, ont, saisi la justice, allait permettre euh, de dégager par la voie juridique la mise appropriée, la justice, de savoir oui ou non la manifestation peut avoir lieu. Mhm. Euh, à la vie à l'intérieur du pays, euh, certains euh, les, acteurs de la société civile ont fait appel et ils ont, ils ont justement à la justice et ils ont eu gain de cause. Je pense que ces deux situations, il y a eu d'abord la décision de la, de, la délégation spéciale qui peut être contestable et qui a été, avec des raisons, gagnée par les, acteurs de la société civile. Euh, peut-être ici, c'est peut-être il faut déplorer peut-être une incompréhension de deux camps à synthéter chacun sur sa décision mhm. au lieu d'aller vers la voie la plus légale, la voie juridique qui puisse éviter ce qui vient d'arriver. Merci Jafar. Euh, je, vers, je me retourne vers vous, Monsieur Oussainissa. Vous êtes journaliste indépendant. Donc euh, les autres euh, régions ont fait appel à la justice pour que leur marche ait lieu. Selon vous, pourquoi les organisateurs de la société civile de Niamey, eux, n'ont pas adopté la même démarche Bon, mais vous savez, <coughs> la décision est partie d'abord de Niamey. Parce que c'est les représentants locaux, les acteurs qui sont là localement, ils ont des représentants locaux hein? et qui, qui sont sur place, qui peuvent mobiliser les populations. Et quelque part, je me dis, il y a déjà l'intention d'empêcher, d'empêcher la tenue de cette manifestation. Parce que tout simplement, n'est pas une affaire de nocturne ou, dans la journée. C'est une affaire de, il faut interdire parce que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Les gens sont allés et quand on dit possibilité d'encadrement, je suis désolé. Quand les organisations de la société civile manifestent, ils créent les conditions pour eux-mêmes organiser, que ce soit pacifique. Mm-hmm. Mais pourquoi d'emblée Parce que juste ils ont décidé que c'est l'après-midi. On dit non. pourquoi ils vont organiser l'après-midi Parce que d'habitude c'est le matin. Et ils ont eux argumenté en amont qu'ils ont décidé de faire ça l'après-midi parce qu'il fait de plus en plus chaud. Voilà un peu l'argumentaire qu'ils ont développé les organisations de la société civile. Mais ce qui est déplorable, c'est que les gens qui ont été arrêtés, les leaders, à la limite, ils ont tous l'ont tous été avant même le début de la manifestation. Oui. Parce que moi, j'étais alternatif. Quelques minutes après l'arrestation de Tchangari, à ce moment encore, il y avait le dispositif euh, de, sécurité devant le, siège alternatif. Ils ont fermé l'autre le, bâtisse ou les bureaux, France Fanon. Je suis allé et j'ai fait un tour aussi pour voir au niveau de MPCR chez euh, J'ai trouvé du monde. J'ai trouvé du monde là-bas. Il n'y avait pas de manifestation à ce moment. Et c'était prévu pour 16 heures, je crois. Oui, mais c'était prévu pour 16 heures. L'annonce a déjà été faite. Et ils ont déjà dit, bon, ils ont décidé d'engager l'action et qu'ils ne vont pas reculer. Ce qui est déplorable, euh, c'est un peu cette euh, velléité systématique du pouvoir à empêcher, comment dirais-je, l'exercice, la jouissance des, des, des, libertés. C'est dommage. C'est dommage en démocratie. Pas tout au monde, en tout cas, même dans les pays occidentaux, les gens, quand ils décident de manifester, on n'attend pas la dernière minute pour décider de dire, de dire non, votre manifestation est interdite. Et alors, quelque part même, quand je dis ceux qui sont sortis pour dire délégation spéciale, ils représentent qui C'est des gens qui ont été nommés par le pouvoir. Est-ce qu'ils ont un mandat C'est ça la question. Est-ce qu'ils ont un, ils détiennent des mandats, ces gens-là Ils n'ont pas été élus. C'est des gens qui ont été nommés pour, pour arrêter, oui. Voilà, on a cassé tous les, conseils d'arrondissement. Le, comment vais-je dire, euh, le, le, conseil de ville de Niamey. Mais mm-hmm. à partir de ce moment, quelle est la légalité, quelle est la légitimité C'est la question que je me pose. Ok. Monsieur Roufaï, donc selon vous, les organisateurs ont été interpellés avant la manifestation. Selon vous, pourquoi Moi, je pense qu'il fallait déjà décapiter le, le, mouvement dès au départ, parce que dès que les gens apprennent que Nuhu, Changari, Ali ont été arrêtés, il va y avoir de la panique. Parce que pour la plupart, euh, les gens sortent pour euh, l'un ou l'autre des, acteurs de la société civile, la plupart sortent pour nous, par exemple. Donc, dès l'instant où vous apprenez, puisque on a vu dans les groupes des réseaux sociaux ou sur WhatsApp, les gens demandaient est-ce qu'on a arrêté nous. Vous voyez, donc, dès que euh, c'était un avertissement que le, le pouvoir avait lancé, il fallait décapiter. oui, il fallait, fallait décapiter les, la tête du, du, mouvement, puisque si vous, si vous écoutez même les déclarations des uns et des autres à l'intérieur du pays, à Niamey, ils disent que ce n'est pas parce qu'on a arrêté nos leaders qu'il faut arrêter, c'est dire que quelque part il y a cette intention. Mais moi, je, je, vais même plus, puisque si vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y avait eu une note qui avait circulé à Niamey où on disait qu'il y a l'infiltration dans la, risque d'avoir d'infiltration dans la ville de Niamey pour, pour qui peuvent amener à des attaques. Donc des mesures sécuritaires eh, allaient être euh, prises. Déjà, c'était les prémices qu'il fallait trouver un mécanisme pour euh, arrêter ce mouvement qui prend de plus, en plus d'ampleur, comme l'a dit eh, puisque à chaque fois, chaque deux semaines, quand il y a des manifestations, on voit que les rangs grossissent avec l'avènement d'autres euh, centrales syndicales qui apportent leur soutien mhm. au mouvement. Qui sait si ce ne sont pas tous les centrales syndicales qui vont venir, donc l'ITN dans son ensemble, qui sait si les commerçants ne vont pas se joindre. Donc il fallait trouver un moyen par tous les moyens. Ça, aurait été aussi le matin. Moi, je pense que eh, cette manifestation de Niamey allait être euh, annulée. Puisque le problème, c'est quoi eh, la, loi est claire. Elle ne dit pas que eh, quand vous faites une manifestation, il faut attendre l'autorisation vous informer. C'est ce que les, les, les, spécialistes en droit ont démontré. Vous informer pour que le pouvoir en place puisse prendre les mécanismes nécessaires pour encadrer, pas pour euh, euh, venir. Puisque le problème ici, c'est quoi Lorsque vous voyez la police, lorsque vous voyez la gendarmerie ou la garde, dès l'instant où on les voit, déjà ils sont armés jusqu'au dents, mhm. il y a une logique d'affrontement qui est là. Or, qu'est-ce qu'on fait Partout, ceux qui ont l'habitude d'aller dans les, pays occidentaux ou même dans les grands pays africains, chaque jour que Dieu fait, il y a des, manifestations, devant les présidences des républiques, devant les présidences ou les primatures. Chaque jour que Dieu fait, il y a des manifestations. Et chaque jour que Dieu fait, les autorités en place prennent des garde-fous pour encadrer. Mhm pour qu'il n'y ait pas de débordement. C'est ça qu'il faut. Mais, nous, ici, dès que tu vois les FDS sortir, ils sont dans une logique de confrontation. Donc, c'est pour ça que dès que vous, les manifestants, vous voyez les, policiers, vous-même, vous vous mettez en garde pour ne pas être surpris. Mhm. Or, le mieux aurait été euh, qu'on encadre cette manifestation par exemple, pas empêcher pour eh, empêcher aux citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels parce que c'est la constitution qui prévoit le droit de grève, le droit de manifester, le droit de, de faire tout ce qu'il faut dans un pays. Donc, pourquoi empêcher Moi, je pense que c'est une entrave à, certaines libertés et c'est à ça qu'on assiste. D'accord, merci Rufai. Donc le groupe de presse et de télévision Labari a aussi été fermé le dimanche soir par les forces de l'ordre qui ont assiégé les locaux jusqu'à ce vendredi matin. Le Conseil supérieur de la communication, qui est l'organe de régulation des médias au Niger, s'est abstenu jusqu'à ce jour de se prononcer quant au respect des textes qui régissent la liberté de la presse malgré les va-et-vient des reporters depuis lundi au siège de l'institution. Jafar, vous êtes euh, directeur de publication du journal Indépendant Plus. Donc ici, peut-on parler de liberté d'expression et de presse euh, dans notre pays au vu de tout ce qui s'est passé à la Bari Oui, euh, il y, a un cas de violation, il faut le, il faut le noter. Et maintenant, à partir de ces cas de violation, voir euh, si euh, ça compromet l'existence de la liberté de la presse. Mais quand même, de point de vue pratique et de fait, il y a un cas de violation. Il faut dire que euh, il y a toute une procédure, une instance chargée de réguler les médias. Lorsqu'on constate qu'un média est en faute, il y a le Conseil supérieur de la communication qu'on peut saisir c'est-à-dire même le, je pense que c'est un cas euh, que j'ai l'habitude de dénoncer et que de proposer même des solutions. Par exemple, pourquoi ne pas mettre ensemble le ministère de, de l'Intérieur qui est en charge de la sécurité publique et le Conseil supérieur de la communication avec à leur côté les associations socioprofessionnelles de médias pour prendre en charge cette question-là. Peut-être que le ministère a besoin qu'on lui explique clairement quand est-ce qu'il peut agir si même il a la possibilité d'agir sur un organe. Mais quand même, c'est le Niger qui a été le premier à signer la déclaration de la table de, la montagne en 2011. Oui, justement, même si euh, depuis cette signature, il y a eu beaucoup de, violations, ça veut dire que euh, cette signature est un engagement mais cet engagement-là euh, n'a pas été suivi. Ça s'applique pas. Ça s'applique pas de façon euh, spécifique et de par les pouvoirs publics Puis c'est ça la question. Je pense que a été mise à, cet engagement a été mis à rude épreuve avec l'arrestation, si vous vous rappelez, de plusieurs euh, interpellations de plusieurs journalistes et responsables des médias. Et à, cet, effet, il y a eu des, responsables en charge des pouvoirs publics qui ont dit que c'est le président qui a pris l'engagement mhm. et ils peuvent poursuivre. À partir de là, il, fallait poser la question sur la table. Il a pris cet engagement euh, en tant que président de la République, donc euh, en tant que chef de, de, de, du, gouvernement mhm. et au-delà en tant que premier responsable des pouvoirs publics. Mais bon, il y a une compréhension plus ou moins euh, singulière de, de, de, certains responsables en charge des de, pouvoirs publics. ça n'a pas été conséquemment suivi. Maintenant, la violation, on le constate de plus en plus. Maintenant, la question qu'il faut poser sur la table, quel est, le rôle du Conseil supérieur de la communication dans le contexte euh, actuel du Niger mhm. démocratique et euh, qui doit, si euh, on peut se substituer au Conseil supérieur de la communication pour agir sur le, un média, le fermer ou prendre le matériel euh, d'un média et même des journalistes sur le terrain, mm-hmm. je me dis qu'il eh, y a un véritable problème. Il faut, mais c'est vrai, le Conseil supérieur de la communication est une institution de l'État, tout un mécanisme pour qu'il agisse et pour qu'il se prononce d'ailleurs. Parce que j'ai vu beaucoup de, de débats sur pourquoi le CSC ne se prononce pas euh, vu sa position institutionnelle et son, organigramme, il y a des conditions dans lesquelles il peut, il peut euh, s'autosaisir de la question. Mais dans le contexte, c'est que le CSE peut, je pense, en tant qu'institution, euh, plaider ou saisir le, ministère de l'Intérieur pour euh, qu'il cesse d'intervenir. De, de, mhm. C'est vrai, le ministère de l'Intérieur peut agir en disant que il agit pour, pour la sécurisation euh, des personnes et de leurs biens. Mais dans ce contexte, il y a une institution à qui on a légué, la Constitution a légué ce pouvoir. Donc il faut la, il faut la laisser faire ce travail-là. Mhm. Il y a une confusion, on le constate depuis un certain temps. On mélange tout dans un contexte sécuritaire pour dire que la priorité c'est la sécurité et on, on, on se met euh, du moins, on, prend une parcelle du pouvoir d'une entité pour euh, agir, mais là, il y, a véritablement un problème. Moi, je pense qu'il faut poser la question sur la table. Mhm. Il faut la poser sur la table pour savoir euh, quand est-ce que, par exemple, le ministère de, de l'Intérieur peut aborder ou même s'intéresser à une question de médias il y a le Conseil supérieur de la communication qui a cette prérogative. Donc, au besoin, quelle qu'en soit la situation, je pense qu'il y a toute une procédure euh, à, suivre. Et c'est ça qui manque depuis un certain temps. Merci, Jafar, euh, M. Hussein Issa. Donc, euh, le groupe Labari a saisi la justice en référé et la justice a déclaré la fermeture de Labari non conforme à la loi. Selon vous, que faut-il comprendre en ce qui concerne le temps qui a été mis euh, pour l'exécution de la décision de justice euh, pour ce qui est de la fermeture Je suppose tout simplement que ceux qui sont en haut, ceux qui <laughs> pensent détenir le pouvoir ou qui détiennent le pouvoir, ils n'ont aucun respect pour les lois. Parce qu'à partir du moment, la justice, c'est le dernier rempart en matière de démocratie, de respect de l'état de droit. C'est la justice. Quand je suis en conflit, j'ai un différent avec quelqu'un, je vais à la juge. Quand l'autorité, voilà un juge qui dit il faut rouvrir, c'est illégal ce que vous avez posé comme acte, et vous passez outre. Vous dites quoi Vous dites quoi Vous respectez la loi Mais c'est la loi qui nous régit tous. À partir de ce moment, on constate tout simplement que c'est une dynamique qui est là. Peut-être là-bas, il dérange à travers les informations, à travers c'est pris de position. Il faut créer les conditions et sont, sont, responsables parce que <laughs> au-delà du fait qu'il soit acteur associatif, c'est quand même lui, Ali Idrissa, qui est, euh, euh, directeur général de l'Aber. On a décapité en, en, pensant pouvoir en finir avec, euh, comme avait dit, éteindre le mouvement, mais il faut aussi fermer les médias qui sont un peu dans la dynamique, dans la dynamique de mobilisation des citoyens et tout ce qu'on est en train de dire là, moi je dis non, c'est faux. C'est totalement faux. Les gens sont en train de lutter contre des nouvelles euh, mesures, fiscales. Les gens ont fait ce genre de combat en 2005 par rapport à un certain nombre de produits seulement. Et on dit non, c'est politique. Non, c'est faux, n'est pas une affaire de politique. Mais ça coûte quoi de venir s'asseoir, discuter avec les acteurs, trouver les mécanismes et surtout qu'en amont, ces mêmes acteurs-là, ils sont allés jusqu'à l'Assemblée avant que la loi ne soit votée, avec des propositions concrètes. Voilà ce qu'on peut faire, mhm. mais qui n'ont pas été prises en compte. Les citoyens doivent accepter de, pendant que de l'autre côté, tous les jours que Dieu fait, c'est de nouvelles nominations, c'est un gouvernement pléthorique qui est là, qui ne sert à rien du tout, pratiquement des, des institutions pléthoriques avec des conseillers à l'appel. On n'est pas en mesure de réduire tout ça et on demande aux citoyens. Voilà le combat qui est en train. C'est le combat citoyen, moi, je considère. Ah, c'est les mêmes acteurs, les Nouazika. Parce que quand j'entends certains de ces acteurs-là, qui sont aujourd'hui dans l'autre camp, ça dit dire qu'ils ont fait le combat juste pour être dans une dynamique de, de, de, de positionnement politique. Je n'ai pas besoin de citer leur nom, qui sortent pour insulter. Mm. Je sais de quoi je parle. Alors que hier, ils mangeaient dans la gamelle, dans la main de ces mêmes acteurs-là qui sont en train d'insulter. Je suis, je suis, je suis vraiment, c'est déplorable. <laughs> C'est déplorable. D'accord, Monsieur Roufaï. Donc, puisque la fermeture de la barille a été jugée illégale, la barille peut-elle demander réparation d'être endommagée, euh, sans oublier les publicités des annonceurs euh, non diffusés pendant ces cinq jours-là? <coughs> Bien sûr, je, voulais finir par, par cette question. Et donc, je commence par euh, le CSC d'abord, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire autour de, de cette problématique. Je pense que jusqu'à la fin, le CSC a montré son incapacité à gérer le problème qu'il y a au sein de, de la presse nigérienne. C'était peut-être le dernier ballon d'essai avec la fermeture de la Bari, avec euh, euh, ce que le juge a dit et jusqu'à la fin le CC n'a rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à part peut-être euh, les comment, comment on dit les réunions qui font mensuelles chaque fois. En dehors de ça, je ne pense pas voilà, je ne pense pas que le CC ait fait quelque chose et tout au long du mandat du, du président sortant. Il aurait pu peut-être partir la tête haute, mais il est parti, il quitte comme il est venu par la petite porte Mm, c'est vraiment <clears throat> très grave. Je ne pense pas qu'il ait pu inscrire son nom à lettre d'or dans, l'histoire de la régulation au Niger. Ça, c'est un. Deux, et il y a quelques jours déjà, vous vous, rappelez ce qui s'est passé avec euh, la radio Anfani, avec un acteur euh, politique. Et ce qu'il avait dit était plus grave que ce que peut-être Maître Leroy avait dit ce n'était même pas en direct. Là, c'était en direct, puisque eh, il, y a, beaucoup. Eh, la loi, c'est la loi en cascade qui est appliquée eh, pour interpeller X ou Y euh, quand il y a ce genre de, de problème. À l'époque, il y avait un, un, acteur politique qui avait fait des déclarations graves. En différé, rien ne s'est passé. Bien que le juge s'est auto-saisi de la situation, là nous sommes dans les conditions du direct. Voilà un monsieur qui fait des déclarations on, arrête le monsieur, on ferme la radio. Mm-hmm. Vous voyez, je suis en train de montrer le deux poids deux mesures dans le traitement de, de, l'affaire. Autre chose encore, il y a quelques jours seulement, les autorités disaient que force doit rester à la loi. Mm-hmm. Dès l'instant où vous, vous pensez que force doit rester à la loi, quand ça vous, quand ça vous arrange, quand ça arrange l'autre aussi, il faut que force reste toujours à la loi. Voilà un juge qui a rendu une décision que la Bari a gagné le, procès, puisque pour moi, on ne devrait même pas aller jusque-là. Déjà, c'est une tâche qui est là, indélébile, et dans l'histoire politique ou dans l'histoire démocratique de notre pays. Pourquoi aller jusqu'à fermer la radio, jusqu'à amener des gardes qui se relaient à tour de rôle, juste pour empêcher aux gens de travail, aux journalistes. Donc on ne devrait même pas aller à ce stade de fermeture d'une radio juste parce qu'un monsieur a parlé, je, ne sais pas, c'est euh, euh, ce qu'il a dit, je ne vais pas revenir sur ce, ce qu'il a dit, juste parce qu'il a dit ça, on arrête euh, les émissions, on ferme la radio. Je pense que en termes de, de liberté de presse, ce n'est pas bien pour le Niger. C'est pour ça qu'on recule d'année en année à chaque fois qu'il y a et les classements de, de, de, RSF. Et aussi, il faut que, je, je pense que, que, que, les gens reviennent sur euh, la signature de la déclaration de la table de la montagne ou de la montagne de la table. C'est selon. C'était une, c'était une décision politique déjà à l'époque. Il y avait, on était dans l'entre-deux tours entre CENI et le président Issoufou. Les organisations socioprofessionnelles des médias étaient venues parce qu'il y avait un mouvement d'ensemble, pas seulement au Niger, sur le plan africain. On était venus, on a dit aux deux candidats, voilà nous ce que nous voulons que vous nous fassiez une fois que vous veniez au pouvoir. On a dit aux deux candidats, tous les deux, je parle sous votre <laughs> contrôle, tous les deux avaient accepté qu'au cas où j'arriverai au pouvoir, mhm. j'accepte, je signe la déclaration, de, je le signerai la déclaration de la montagne de la table. Et c'est font. C'était dans, dans l'entre-deux-tours, tout le monde voulait venir au pouvoir et tout le monde voulait avoir la sympathie. Pour ne pas trop s'éloigner de la question. Je, pense que c'est très important. Quand on dit à chaque fois, on est le seul pays à, le signer. Voilà, c'était ça le contexte. Donc, il fallait plaire à tout le monde. Donc, on a signé la déclaration. Sinon, après, ça, qu'est-ce qui n'a pas été fait dans ce pays Vous voyez, non Ça, c'est juste un rappel, j'espère, je dis pas. Mais maintenant, pour les et ça, les conséquences de l'arrêt hein. du, du, de la gestion rendue par le juge de référé. Mm. Ils ont fait cinq jours après l'arrêt. Aujourd'hui, la Paris est en droit de faire le point de tous les dommages qu'ils ont subis. J'ai lu quelque part un juriste, un, Nigérien qui, vit en France, Mhm. Il a dit qu'ils ont le droit aujourd'hui de répertorier tous les dommages qu'ils ont subis parce que, comme vous l'avez dit, il y a des, eh, ils ont pris des engagements avec des annonceurs pendant cinq jours, l'annonceur, lui, il s'en fout. Mhm. Il n'a pas vu, il a payé son argent. Il faut qu'on, lui, le mette dans ses droits. Et ils ont aussi le droit de nous servir en, information parce que c'est le service public qu'ils font. Beaucoup de choses, donc, ils sont aujourd'hui eh, dans la position de faire, de répertorier tous les, préjudices qu'ils ont subis et de le soumettre au juge de référé pour leur dire voilà ce qu'on a subi et vraiment on demande, on demande réparation. Et la loi, étant la loi, étant la même pour tout le monde, ils ont le droit à être dédommagés. Merci. êtes à l'écoute euh, du studio Kalangou pour le forum de la presse. Euh, autre sujet de ce forum, euh, l'université Abdoumouni de Niamey était paralysée un mois sans activité académique par une grève illimitée des enseignants-chercheurs. Cette grève a été levée le 17 mars dernier après la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et le syndicat des enseignants de l'université de Niamey. Mais selon le secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants à l'université de Niamey, les étudiants n'ont pas été associés et refusent par conséquent de reprendre les cours euh, sans la satisfaction de leurs revendications. Jafar, vous êtes journaliste euh, à l'indépendant plus, euh, comment est-ce que vous voyez l'exclusion des étudiants dans la signature de cet accord entre uniquement les deux parties Oui, on a, moi je l'ai dit, je pense sur ce plateau que c'était une, sans peut-être connaître le, les derniers contours de ce dossier-là, mais je trouve indélicat de la part du ministère de tutelle de s'engager sur un protocole d'accord avec le SNEX, alors euh, tout en sachant que euh, il y a une situation aussi gravissime d'affrontement euh, interposé entre SNEX et, et Le débat ici, c'est le, le, ministère des enseignements supérieurs devrait peut-être jouer le médiateur et trouver une, une, sorte de juste milieu au lieu de préférer euh, le retour de la sérénité pour le SENEX et laisser les étudiants. Alors qu'on sait que les deux, euh, c'est les deux qui font que l'année puisse être sauvée et que le ministère ait un bilan à présenter. Lorsqu'on se met dans la position de choisir un camp, je pense qu'on est en train de rater sa mission. Et c'est la situation euh, du ministère des Enseignements supérieurs. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison si le, le l'INUN est reconnue en tant que structure syndicale. Il n'y a aucune raison que quand euh, dans, la, hiérarchie de cette organisation qu'il y ait un manquement et qu'on puisse sanctionner le premier responsable à les excluant. Mhm. C'est douloureux d'entendre euh, cette décision et je trouve que les enseignants aussi n'ont pas fait preuve euh, assez de maturité intellectuelle n'excluant ces étudiants-là, c'est comme si aujourd'hui, quand les SNEX posent un acte ou les, euh, enseignants-chercheurs posent un acte, que le ministère de tutelle puisse euh, peut-être euh, radier certains. C'est inacceptable de le faire. et dans ce contexte-là, je pense que le ministère a raté le départ. Il a intérêt à retourner Rappelez les deux camps, s'asseoir sur la table et peut-être jouer le médiateur et trouver une sorte de juste milieu. Merci Jafar. Hussein Issa, après plusieurs semaines d'interruption des activités académiques, comment est-ce que vous voyez l'issue de l'année académique 2007-2018 Vous savez, que le nouveau système LMD, c'est semestre. C'est deux semestres. À partir du moment où le premier semestre est foutu, il y a un mois de retard je ne vois pas comment on peut pouvoir sauver véritablement l'année. Parce que la démarche, dans le cadre d'un conflit de cette nature, où c'est le SNEX et les étudiants, la, structure des étudiants, ce n'est pas au ministère de venir trouver un protocole d'accord avec, avec les enseignants. Les trois parties, normalement, Doivent venir s'asseoir, voir les points sur lesquels ils peuvent trouver une entente et pouvoir décanter la situation. Mais le ministère, quand j'ai suivi le ministre des Enseignements supérieurs dire qu'il est satisfait, est-ce que la situation est débloquée On exclut des étudiants par rapport à des faits qui sont là, qu'il faut déployer bien évidemment. Mais on doit pouvoir, les deux parties en conflit, on doit pouvoir en tout cas les amener sur la même table. Jaff vient de le dire. Le ministère devait jouer au médiateur. Protocole d'accord pour chercher quoi Ils ont signé leur protocole d'accord, ils ont accepté, le ministère a accepté que des étudiants soient exclus. Et que, comment euh, comme on veut dire, euh, le campus euh, soit militarisé quelque part comme ça. N'est-ce pas Bon, mais ça règle quoi en fin de compte, ça règle quoi Absolument rien du tout. Le problème reste anti. Parce que tout simplement, on n'a pas associé l'autre partie, ou du moins c'est la partie la plus, comment vais-je dire, importante. Et c'est dommage quand des gens se mettent dans cette logique-là en pensant que c'est juste l'institutionnel, quoi. Le mm. côté institutionnel, quand ils s'entendent, on peut pouvoir régler les problèmes. D'accord. Est-ce que l'école a repris Est-ce que les cours ont repris véritablement Je ne sais pas. toujours est-il dit que ça va continuer et déjà il y a un mois de perdu. Ça veut dire que le premier semestre ne peut pas être validé. Hmm. Ok, merci Issa Roufaï. Donc, euh, vu, au vu de tout ce qu'il vient de dire, euh, qu'est-ce que vous voyez, euh, qu'est-ce qui doit être fait pour que l'université reprenne ses activités mais tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais vous savez, là où ce pays est plaisant et dangereux à vivre, c'est que lorsque vous avez une portion de pouvoir, une petite portion soit-elle de pouvoir, tout le monde en abuse. Et regardez quand les étudiants sortent, lorsqu'ils ont des manifestations, avec des, petits garçons qui, se disent de la caso, qui prennent des gourdins, qui prennent des, des, Qui que tu sois, elle t'empêche de passer. Qui que tu sois quand tu es dans une voiture à pied, pour eux, ce sont les rois qui sont sur le goudron, les empêchent aux gens de passer. Aujourd'hui, c'est à l'université que ça se passe. Les enseignants-chercheurs au diplôme majeur qui se croient supérieurs, qui pour la plupart donnent le cours quand ils veulent, comme ils veulent. Parce que quand vous partez à l'université de Niamey, c'est quoi Ce sont les cours qui datent de, de 1990 c'est ça qu'on vous, qu'on vous dispense aujourd'hui en 2018. N'ont pas été actualisés. Ah, <laughs> pour la plupart d'enseignants, <laughs> sûrement que les gens ne me contrediront pas, j'ai vu l'expérience, ou bien l'enseignant-chercheur, il est, et conseiller de tel ou tel ministre ou du président de la République. Il ne vient que quand il veut il a cours de 4 heures de temps, il vient, il vous fait un cours d'une heure ou deux heures de temps ou bien il vient deux heures de temps après. Vous voyez, quand il vient aussi, et c'est ça le problème, il vous fait à peine le cours et il s'en va. Et quel cours en plus. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir à l'université jusqu'à exclure cinq étudiants qui n'ont rien fait qui ont juste la malchance d'être des responsables d'une structure. structure. Au vu, eux aussi, des autorités qui n'ont rien dit jusqu'à présent, en dehors du protocole d'accord qui a été signé et qui n'a arrangé que les études, que les enseignants-chercheurs, le gouvernement ne s'est pas prononcé sur l'affaire, et cette affaire de, de la CASO, ou des gens qui ont soi-disant frappé un enseignant-chercheur et on laisse l'école ou l'université mourir comme ça. Moi, je pense que c'est simple. <clears throat> Le gouvernement est là, celui qui gère et les étudiants et les anciens chercheurs. Au lieu de faire, de signer un, accord entre les, enseignants. anciens chercheurs et le ministère en excluant une partie importante du problème, je pense qu'on avait raté déjà et le coach, comme on dit. On doit revenir avec les, les, Aujourd'hui, j'ai vu, par exemple, je peux me partager ça sur Facebook, et le classement des universités au monde. Mhm. L'université du Niamey est classée 7779e université dans le monde. C'est combien Je ne sais pas. 7779e université dans le monde. Or, il y a des gens qui nous donnent les leçons, qu'ils ont des diplômes majeurs, qu'ils sont ceci. Moi, à leur place, j'aurais honte. Parce que mon diplôme ne sert à rien. J'ai vu la dernière fois eh, dans, <clears throat> dans, une faculté ou un département à Maradi où tous les étudiants ont eu zéro dans une matière. Le même problème s'est posé à l'université de Niamey où à peine tu as un étudiant sur 300 ou 400 qui a 8 sur 20. Ah, un chose qui et les hein. enseignants <clears throat> euh, bombent le torse pour dire que ah, moi je suis ancien chercheur, moi je suis docteur, moi je suis maître de conférence, moi je suis titulaire de ceci ou de cela. Euh, vous, c'est pour vous dire. Sans vous interrompre, il nous reste un sujet encore. Euh, on va continuer, merci. Donc, euh, autre sujet, en région d'Agadez, ces dernières semaines, des demandeurs d'asile, des étrangers, la plupart de nationalités soudanaises du Sud, tchadiennes, du Nigeria voisin et même de la Libye et du Pakistan demandent l'asile à Agadez. Leur présence massive inquiète plus d'un et surtout les autorités de la région elle-même. Le haut commissaire commissariat aux réfugiés d'Agadez à la date du 21 mars 2018 aurait enregistré environ 1500 demandeurs d'asile. Selon le HCR, ils ont transité d'abord par la Libye avant d'arriver à Agadez. Jafar, je me retourne vers vous. Comment expliquer cette ruée de ces personnes vers le Niger et comment le Niger pourrait leur accorder l'asile je pense que c'est <coughs> d'abord il faut souligner que c'est pas nouveau quand on sait que depuis un certain temps l'Algérie refoule euh, les ressortissants de l'Afrique, pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest, euh, via Agadez. ça veut dire qu'on a toujours des, des Nigériens. Maintenant, peut-être ce qui, ce qui peut aggraver ça, c'est le travail des ONG internationales qui ont comme mission d'aller rechercher des ressortissants africains, de venir le, euh, les interner à Agadez et préparer les conditions de leur retour chez eux. Je pense que c'est, il faut peut-être s'interroger sur l'activité de ces ONG, euh, comment ils arrivent à identifier. Est-ce que ces personnes-là viennent d'elles-mêmes Si c'est des Libyens qui viennent d'eux-mêmes pour euh, réclamer asile, euh, au Niger, on peut dire qu'ils sont en train de fuir des conflits. C'est des Sud-Soudanais aussi, ils sont en train de fuir des conflits. Mais est-ce que la, euh, la, région d'Agadez est, est, est, mieux appropriée pour les accueillir et leur trouver un peu de réconfort J'ai dit dans ce contexte-là, c'est encore difficile. Mais moi, je m'interroge sur euh, la, la, capacité de, de, de, des ONG internationales qui s'occupent des migrations eh, on sait qu'il y a deux, e, deux ONG qui, est très, qui sont très actives là-bas, c'est l'OIM et puis il y a ECAP Sahel qui essaye euh, <coughs> aussi de, de faire ce travail-là. Mais qu'est-ce qu'ils, comment ils arrivent à identifier euh, ces personnes-là, comment elles, euh, ces personnes sont arrivées à Agadez. Mhm. Maintenant, s'ils demandent asile au Niger, je pense que euh, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux petite solidarité que leur offrir l'asile si eh, ces personnes sont dans les conditions de les avoir, s'ils ne sont pas des, combattants, s'ils ne sont pas fichés peut-être par euh, euh, l'Interpol, ils ont bel et bien besoin d'avoir cette assistance humanitaire. D'accord. Hussein euh, selon vous, quel pourrait être l'impact euh, de ce flux migratoire, si on peut l'appeler ainsi, euh, sur notre pays Vous savez, <coughs> moi, d'abord, la mobilité humaine, là, ça doit être naturel. Nous, nous sommes allés, dans notre pays, depuis pratiquement l'avènement de ce régime. C'est nous qui avions décidé de nous constituer en frontière. Et on est allé signer des accords avec notamment l'Algérie pour le rapatriement. Pour le rapatriement systématique des Nigériens qui vont vers la Libye, qui vont vers l'Algérie pour fuir la pauvreté. Et aujourd'hui, c'est dans ces pays, quand ils se retrouvent avec des flux comme ça, le déversoir, c'est où Nous avons décidé qu'on nous rapatrie tous ceux qui sont là-bas. Mm-hmm. Mais ils n'ont pas, pas écrit sur le front des gens celui-là c'est un Nigérien, celui-là c'est un Soudanais, celui-là. Ils prennent, ils déversent. Ils s'en foutent de d'où tu viens. Parce que tout simplement, d'abord, il y a ce racisme-là <coughs> qui existait en amont. Et ils ont trouvé le mécanisme pour pouvoir faire du Niger un déversoir. On ne cherche pas à savoir, hein. on les prend. Tant que tu es noir, là, tu as la peau noire, on t'amène. Systématiquement. et malheureusement, malheureusement, quand je vois aller ici, un peu après la ceinture verte, <coughs> vous allez trouver des gens qui sont venus de l'intérieur du pays, des gens qui ont l'habitude d'aller, et comme avait dit, en Libye ou en Algérie pour chercher leur pitance. Mais comme <coughs> maintenant on a empêché à ce qu'ils bougent, mhm. ils sont venus naturellement s'installer. Je ne sais pas si vous avez pu faire un reportage euh, Ici, aux alentours, la ceinture là. Ah. C'est des centaines de. Donc, euh, Rufai, pour finir avec vous, pourquoi selon vous ne pas envoyer ces personnes-là vers leur pays d'origine Hmm. Vous savez, la question euh, de migration aujourd'hui, c'est le sujet le plus vendeur dans le monde. Avant, il y avait le sida, il y avait tel ou tel. À chaque époque, euh, il y a un sujet qui est là et qui, et, qui, et qui, et qui génère beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est la migration qui génère beaucoup d'argent. Après, <laughs> après, après ce qui s'est passé à Libye, avec la porosité aujourd'hui des, frontières, c'est normal. Ça, ça arrange tout le monde et nos autorités politiques et les ONG internationales beaucoup de, beaucoup de sous, il n'y a aucun contrôle. Donc chacun se fait dessous et maintenant on laisse venir tout le monde. Après on va essayer d'apporter un semblant de, réponse et afin <laughs> de compte chacun s'en sort. Merci cher invité. Nous voici au terme de ce forum de la presse de ce vendredi 30 mars 2018. Nous étions avec Jafar Maman, directeur de publication du journal indépendant, Oussein Issa, journaliste indépendant et Rufai Dandoua aussi journaliste indépendant. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.